district Kalamko. District Kalamko. The forum district Kalamko. Kalamko. District Kalamko. The forum district Kalamko. The forum district Kalamko. The forum district Kalamko. The forum district Kalamko. The forum district Kalamko. The forum district Kalamko. passé de 15 minutes. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au forum de Studio Kalangu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce micro. Diallo Mariama Kenda. Ce soir, il sera essentiellement question de paix. Le Niger célèbre, comme l'ensemble des États membres des Nations Unies, la journée internationale de la paix. Tout un dossier vous sera proposé dans ce forum avec des interviews des représentants d'organisations nationales et internationales impliquées dans la promotion de la paix, mais aussi des anonymes rencontrés aujourd'hui à la fin d'une course pour la paix qui s'est déroulée aujourd'hui à Niamey. Dans la deuxième, dans la deuxième partie du forum et toujours pour parler de paix, nous recevrons un invité, le promoteur du grand marathon du Ténéré, Agdal Wissan. Avec lui, il sera essentiellement question, il sera question d'une haute course pour la paix au Sahel. Aujourd'hui, le Niger célèbre donc la Journée internationale de la paix. Le thème de cette édition est Une paix durable pour un avenir durable. Pour la seconde fois, l'organisation de la célébration a été confiée à la haute autorité de la consolidation à la paix une grande manifestation a été organisée au stade Seini Kunti au cours de laquelle une crosse auquel ont participé une quarantaine de jeunes dont 11 femmes en situation de handicap qui s'est tenu. Le chef de division de la haute autorité de la consolidation de la paix, Abdoulaye Moumouni Zalika, elle revient ici sur le rôle de son institution. On l'écoute. La haute autorité, comme son nom l'indique, est une institution qui consolide la paix. Et le Niger étant un pays sensible au, conflit. Alors, euh, c'est notre institution a pris la décision d'être conforme à tous les pays du monde, donc de célébrer cette journée. Donc, c'est en relation avec nos objectifs assignés à l'institution. Qu'entendez-vous par pays sensible Nous sommes confrontés à des guerres asymétriques Adifa, je veux dire. Et nous avons frontière avec le Mali qui est actuellement un pays en guerre, l'Algérie, la Libye. Donc c'est un peu complexe pour le Niger de gérer toutes ces crises-là. Alors quel est l'objectif euh, derrière euh, l'organisation de cette euh, cérémonie et à travers l'organisation de ces courses avec non seulement les personnes non valides et les personnes bien portantes alors, c'est pour montrer que la question de la paix n'est pas seulement synonyme d'hommes et de femmes. La paix concerne tout le monde, les valides, les non-valides, les jeunes, les vieux, l'implication de tout le monde, les femmes, les hommes. Et d'un autre côté, ce n'est pas seulement les Nous avons aussi prévu une conférence débat pour parler des religions, le rôle des religions de la consolidation de la paix. Donc il y aura le chef Abraham qui va nous parler de l'islam, le rôle de l'islam dans la consolidation de la paix, et le père Antoine en christianisme qui va nous parler du Christ par rapport à la consolidation de la paix. Et, par rapport donc toujours à cette euh, à la célébration de cette journée, une journée euh, euh, observée dans le monde entier aujourd'hui pour la paix. Qu'est-ce que cela représente dans, un monde, dans un continent comme l'Afrique qui est miné, qui est beaucoup miné par, par des guerres. Qu'est-ce que cela représente pour un pays comme le Niger c'est l'éveil de conscience. Il faut une éveil, un éveil de conscience et une sensibilisation forte. La célébration de cette journée va dans le cadre de la sensibilisation des hommes et des femmes par rapport à la question de paix. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement toutes les résolutions, les conventions prises par les Nations Unies qui peuvent faire l'affaire. Il faut aussi sensibiliser, il faut éveiller les consciences, il faut appeler les gens à la paix. Sûr que la haute autorité mène beaucoup d'activités en partenariat avec d'autres organismes comme le PNUD, le PBF, les fonds de, de consolidation de la pour les Nations Unies. Nous menons beaucoup d'activités parce que sans la paix, il n'y a pas de développement durable. Quelque chose qui est lié euh, au thème de cette année, les objectifs de développement durable. Si nous voulons une paix, un développement durable, il faudrait instaurer la paix. C'était à l'instant le chef de division de la haute autorité de la consolidation de la paix, Abdoulaye Moumouni Zalika. À l'arrivée de la course pour la paix, nous avons interrogé trois athlètes, dont une femme handicapée, sur les raisons de leur participation. Vous avez sans doute, vous les avez sans doute entendus dans le journal. On les écoute une fois de plus. Un peu stressé, 8 km c'est quand même beaucoup, mais avec l'ambiance et la raison pour laquelle on court, je pense qu'il faut le faire pour le pays. Ouais, euh, c'est la cause moi, plus qui m'a qui m'attire. Je, suis là aussi, c'est pas dans l'esprit compétitif. Je suis pas dans cet euh, état d'esprit chrono euh, pour gagner la course. Non, c'est côté festif, convivial, ces échanges avec les athlètes qui viennent de toutes les régions, qui sont en qui sont là, qui ont envie de partager des choses. Donc c'est dans ces cadres que je viens pour les rencontrer aussi parler un peu de ce que je fais et c'est pour la paix. Aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir parce que je dis que je ne peux pas courir, je suis l'ancien, 40 ans, c'est pas facile. Et je suis venu troisième, c'est déjà bon. Je dis la paix, la paix et la paix. Je t'aime la paix. Et on souhaite quand même les autorités de Niger de toujours penser à nous, les handicapés, de faire manifestation comme ça on doit oublier notre handicap. Présent à cette euh, manifestation, le représentant résident au Niger des Nations Unies, Nations Unies qui sont à l'origine de cette journée internationale pour la paix, nous a accordé un entretien Fodengay. La paix est un élément fondamental de la charte du système des Nations Unies. Et comme euh, actuellement dans le monde, il y a beaucoup de conflits, euh, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de misère, de détresse humaine, euh, nous pensons que célébrer la journée pour donner le là, pour construire des sociétés plus inclusives, plus pacifiques, qui permettent de raffermir euh, la prospérité pour tous, nous semble euh, une occasion importante. Cette année aussi, cela revêt un caractère particulier parce que au niveau du Niger, vous avez beaucoup de points de tension, que ce soit à la frontière avec le Mali, que ce soit dans la région de Difa, où j'étais déjà à nouveau la semaine dernière. Beaucoup de violence, euh, soit des mouvements djihadistes ou d'autres types de mouvements. Et les autorités euh, nigériennes et les populations y font face. Et, par rapport à cette situation, à euh, Difa, d'où vous revenez il y a une semaine, euh, quelle est un peu la, cette situation la situation à Difa, je pense que les populations, avec l'appui des acteurs humanitaires et des autorités, essaient de faire face. Et je pense que c'est un grand honneur de montrer que les premiers humanitaires dans cette région sont les populations elles-mêmes en tant que communauté haute qui, malgré leurs maigres moyens, accueillent ces euh, populations déplacées, retournées, réfugiées. Et je pense que notre rôle en tant que système des Nations Unies et coordinateur humanitaire est toujours euh, de faire davantage de plaidoyer, de mobiliser davantage de ressources. Cette année, euh, dans notre plan de réponse euh, humanitaire, euh, les besoins spécifiques de DIPA avant les attaques du 3 juin étaient estimés à 74 millions de dollars. soit un peu plus de 38 milliards, mais nous n'avons pu mobiliser que 1 dollar sur 3, donc il nous manque 2 dollars sur 3. C'est du reste la raison pour laquelle euh, nous avons eu plusieurs euh, événements sur le bassin du lac Tchad, que ce soit au sommet mondial, que ce soit à New York. Et le 23 à nouveau, il y a un sommet en marge euh, de l'Assemblée générale sur la région du bassin du lac Tchad pour non seulement nous occuper des aspects humanitaires, mais créer davantage d'espoir en relançant la machine du développement en créant davantage d'opportunités socio-économiques pour les jeunes et les femmes et en restructurant ou en contribuant à restructurer euh, et à renforcer la cohésion sociale. Et pour en venir à cette journée internationale, une journée, euh, euh, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre discours, observer une journée de paix dans le monde, qu'est-ce que cela signifie Non, je pense que la journée, c'est juste pour marquer euh, un temps. Mais la construction de la paix, c'est l'œuvre de chaque individu, de chaque société et à chaque instant de la marche euh, de cette société et de la planète entière. Donc il ne faut pas considérer cette journée comme juste le moment où on célèbre euh, la paix, où on se bat pour euh, la paix, mais il faut voir que cette journée réitère ou centralise euh, la manière dont l'humanité met l'accent sur la paix et les sociétés plus inclusives, plus pacifiques, qui est d'ailleurs cet objectif, un élément important des 17 objectifs de développement durable approuvés en septembre 2015 au niveau des Nations Unies. Donc il ne faut pas y voir une journée, il faut y voir juste un moment euh, de renforcer ce qui est fait et ce qui doit être fait tous les jours euh, pour euh, chaque être humain. Il ne faut jamais laisser quelqu'un pour compte dans notre humanité. Nous avons besoin de la planète, nous avons besoin de la prospérité pour tous et c'est ça qui permettra justement d'avoir des sociétés sans conflit, des sociétés harmonieuses, des sociétés qui regardent l'avenir avec sérénité et qui, au niveau euh, de ses différents membres, euh, à une solidarité à, qui puisse résister à toute épreuve et à toute violence. Et c'est, je pense que c'est ce message que nous voudrions donner, surtout dans un pays comme le Niger, où deux tiers de la population a moins de 24 ans. Il faut que la jeunesse ait davantage confiance, que l'avenir est radieux, pas pour seulement la population nigérienne, mais pour la population africaine, parce que l'Afrique, euh, j'en suis convaincu, c'est le continent du 21e siècle. Nous avons les jeunes qu'il faut nous avons les femmes qu'il faut, nous avons les ressources qu'il faut, nous avons l'engagement qu'il faut et je pense que en mettant tout cela ensemble et en nous unissant et en construisant davantage avec l'appui du système des Nations Unies et d'autres partenaires, l'Afrique euh, a un avenir radieux. Euh, je terminerai avec ces 17 objectifs dont vous, avez parlé tout à l'heure. Euh, revenons un peu plus sur ces 17 objectifs. Quel serait l'apport de de ces 17 objectifs dans la réalisation de la paix je suis euh, de ceux qui pensent que le bonheur d'une société euh, n'a jamais et ne sera jamais construit par des forces euh, extérieures. ce qui est important au niveau des 17 objectifs, c'est la prise de conscience universelle, que la société ne pourra être euh, harmonieuse que si chacune et chacun trouve sa place et pense que le soleil brille aussi pour lui. Et je pense que c'est le plus important. Maintenant, dans chaque pays, c'est à ce pays d'être assez inventif, d'être assez ingénieux, d'être euh, assez euh, constructif et de euh, développer euh, le pays lui-même. Ce sont ses populations, les citoyennes et les citoyens de ce pays. Et je pense que c'est le cas de ce que le Niger veut faire en élaborant la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035 qui est en articulation avec les objectifs de développement durable pour 2030 ou les objectifs de l'Union africaine, la vision 2060 la Le Niger est en train aussi d'élaborer le plan de développement économique et social 2017-2021. Et je pense que ce sont des visions, ce sont des stratégies qui peuvent, avec l'engagement de chacun, du secteur privé, de l'État, des organisations de la société civile, des hommes, des jeunes, des femmes, euh, ce sont des stratégies qui peuvent, à mon avis, contribuer à développer ce pays. Et j'ai bon espoir que ce sera le cas pour tous et que l'avenir euh, doit être radieux et j'en suis convaincu, le sera pour le Niger, pour l'Afrique. En tout cas, les Nations Unies et l'ensemble des partenaires contribueront euh, à ces agendas qui sont importants pour notre pays. Monsieur Ndiaye, merci infiniment. Zaman Laya Zaman merci beaucoup. Vous venez d'entendre Fode le représentant résident au Niger des Nations Unies. Je l'annonçais en début de cette euh, émission. Il est avec nous dans ce studio. Agdal bonsoir. Bonsoir. Euh, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Et tout à l'heure, euh, vous avez donc euh, entendu ces différents athlètes euh, qui ont participé à, cette course pour la paix. Vous étiez là-bas, vous faisiez partie aussi de, ces athlètes. Un mot sur ce que vous avez vu sur cette initiative Courir pour la paix. Ouais, donc oui, ce matin, je pris part à, cette course de cross de 8 kilomètres donc euh, le cross de paix organisé par la haute autorité à la consolidation pour la paix. Et euh, je peux vous dire que l'organisation était au top. Donc euh, j'ai eu des moments de bonheur, de d'émotion, d'échange avec les athlètes. Ça a été, ça a été magnifique. Alors, euh, euh, Agdal Oessan, vous êtes aussi le promoteur euh, du grand marathon du Ténéré, courir toujours pour la paix. Et, pourquoi le grand marathon au Ténéré C'est quoi le grand marathon du Ténéré pardon. Voilà, oui, comme vous dites, je suis le fondateur et l'organisateur, les promoteurs, donc l'initiateur de cette initiative sportive et culturelle donc euh, que le Grand Marathon du Ténéré. Donc le Grand Marathon du Ténéré, c'est avant tout un, événement sportif, culturel, festif, convivial. Donc euh, placé sous les slogans courir pour la paix au Sahel. Donc euh, le GMT a, trois objectifs. Le premier, c'est celui de développer le sport, l'athlétisme. Donc le sport n'est pas valorisé au Niger. Donc euh, quand j'ai identifié que euh, un événement sportif peut réunir les gens de toutes les couleurs sans et qu'il n'y a pas de connotation politique, il n'y a pas de connotation religieuse, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien. Le deuxième aussi, c'est euh, celui, l'objectif, le deuxième objectif du marathon, c'est celui de relancer les activités touristiques, parce qu'à la base, je suis guide à national international et directeur de l'agence organisatrice. Donc aujourd'hui, les tourisme euh, de la bande sahélo-saharienne et du Niger, vit le contexte et les enjeux de la bande sahélo-saharienne et s'attirer. Donc c'est pour redynamiser l'activité phare de la région d'Agadez à travers cette initiative où il n'y a pas de connotation politique, où il n'y a pas de connotation religieuse. Donc le troisième objectif du marathon, c'est celui de promouvoir la paix dans la région, dans le pays et dans la bande sahélo-saharienne à travers cette initiative. Donc déjà pour la première édition de l'événement Grand Marathon du Ténéré qui a eu lieu le 27 décembre 2014, nous avons eu la participation des équipes masculines et des équipes féminines venant de différentes régions du Niger. Agdan Wissan, est-ce que euh, vous, vous, invitez d'autres pays à participer à cette, euh, cette initiative, à cette course euh, Je veux dire, vous, avez, vous venez de parler de la première édition, par exemple. quels sont ceux qui étaient présents à cette édition Donc, pour la première édition, nous avons eu les huit régions du Niger. C'est un événement qui a eu une ampleur nationale donc maintenant pour la deuxième édition de concert avec la Fédération et le ministère du Sport, nous comptons recevoir le pays du Sahel, comme l'indique son slogan. Donc à travers cette activité, c'est que nous voulons recevoir toutes les huit régions du Niger à Agadez, plus les pays de la sous-région. Donc, euh, euh, nous avons identifié les pays de la bande sahélo-saharienne, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le, le, Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, la Mauritanie. Donc, nous allons voir euh, pour faire en sorte que euh, le 16 décembre, euh, parce que la deuxième édition de cet événement aura lieu le 16 décembre à Agadez. Avant de parler de cette deuxième édition, donc vous avez parlé tout à l'heure de, promouvoir aussi la culture nigérienne. Et est-ce que vous vous travaillez en collaboration avec, avec les autorités eh, nigériennes. Comment s'est passé parlez nous d'abord de, de, l'organisation ou de la tenue de, la première édition. Comment ça s'est passé Oui, donc la première édition, elle a eu lieu, comme je le disais, dans un premier temps, le 27 décembre 2014 à Agadez. Donc nous avons eu les huit régions, nous avons eu trois membres du gouvernement nigérien qui ont fait les déplacements que je remercie. Nous avons eu les ministres du sport euh, d'Amala, le ministre des Affaires coutumiers, nous avons eu euh, euh, le, ministre de l'élevage. Donc, avec les autorités, nous avons eu le gouverneur qui a pris la même distance que ces jeunes venant de différentes régions du Niger. Et euh, donc, euh, certes que euh, c'est, cet événement, dans un premier temps, vit sa dimension que je voulais lui donner, que nous voulons enfin, avec les comités d'organisation, de l'événement Grand Marathon que nous voulons lui donner, c'était pas évident de pouvoir faire venir les huit régions plus euh, le pays du Sahel. Ça veut dire que vous avez rencontré des, difficultés euh, Oui, euh, un événement nécessite des moyens financiers. Donc voilà, j'ai pu faire des demandes. Je, cherche, je cherche toujours jusqu'aujourd'hui à avoir des subventions qui vont permettre de nourrir l'événement. J'ai l'énergie, je suis l'initiateur, je suis tout. Et en même temps, j'ai l'agence organisatrice de l'événement, dont je suis le directeur général, Imoire Expédition, c'est avec le P des moyens, les moyens de bord. Donc ça nécessite des moyens. Donc je profite, j'ai quelques partenaires. S'il y a des partenaires qui veulent nous accompagner à pouvoir euh, voilà faire quelque chose de beau, qui va nous permettre de faire venir euh, les différentes régions du Sahel. Alors, Agadez. Agdan, Agdan vous parlez de faire venir euh, et des athlètes. Euh, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous vous y prenez C'est vrai que vous parlez de moyens financiers, mais comment comment faites-vous pour essencer, pour pour pour avoir ces athlètes donc oui, donc voilà, donc il y avait un partenaire qui m'a qui, a, voilà, il y un partenaire qui m'a permis de pouvoir amener les gens à Agadez, qui m'a donné un billet ouvert. Donc euh, voilà. Et ça m'a permis. Ces athlètes, euh, euh, ils sont euh, choisis par rapport à un certain nombre de critères. Comment ça se passe Ouais, donc les, inscriptions sont, sont, il y a des inscriptions au fait euh, individuelles qui, qui, sont faites. Toutes les régions du Niger peuvent s'inscrire directement sur le, notre site www On a une page Facebook Grand Marathon du Ténéré ou à travers notre page Twitter Marathon Ténéré. Donc ils peuvent prendre attache directement avec nous. Donc après, il y a un quota qui vient par le biais de la fédération. Donc il y a des sélections qui sont faites au niveau des ligues par le biais de la fédération. Donc les, ces, ces, nombres pour la première édition, nous avons réussi 5 personnes par région. Donc nous avons eu des filles, des garçons, plus un, un Donc cette année, nous voulons avoir un peu plus. Au total, combien de personnes pour la première édition Donc cinq personnes par région pour la première édition. Donc après, nous avons eu des, inscriptions euh, individuelles qui sont euh, voilà qui de partout de toutes les différentes régions et c'est ces cadres qui permet à ces jeunes qui ne se connaissaient pas, qui viennent de Tilaberi, des Bilma, des Dosso, des Maradi, des différentes régions plus lointaines et qui se trouvent autour de, euh, autour de ces voilà, autour de cette richesse, euh, autour de changes, autour de la paix. Il y a eu aussi des organismes dans les domaines de la paix qui ont été à Et quelle est la distance euh, que devront parcourir euh, euh, les athlètes Voilà, la première édition de cet événement, nous avons eu deux distances. Donc, il y a eu deux parcours. Il y a eu un 16 km pour les hommes et un 12 km chez les filles. Donc, cette deuxième édition qui aura lieu le 16 décembre à Gadez, à l'avant-veille de la fête nationale. Donc euh, nous pouvons, euh, nous avons, euh, il y, y, aura trois courses qui seront proposées. Donc nous aurons un 5 km, un 10 km et un semi-marathon. D'où la difficulté à mettre un marathon place il faut la troisième édition du Grand Marathon du pour pouvoir venir sur 1,42 km. Vous avez parlé de la présence, de la participation des, femmes à, ce, marathon. Ah Et euh, expliquez-nous, est-ce qu'avec les femmes, ça n'a pas été difficile courir dans le désert Non, ça, ça, a été les 12 km. Il y avait des filles qui l'ont fait. Donc euh, le but du jeu, c'est de pouvoir trouvé 200 personnes, sur les 200, 100 hommes, 100 femmes, et chez les filles, sur 100, on a trouvé 59. Je peux, je peux vous le dire, dans une région où le sport n'est pas valorisé, mais quand même, on a pu trouver 59 filles qui ont, qui ont fait ces 12 km. Et pour vous, c'était satisfaisant Ouais, c'était satisfaisant. Et les filles, je peux vous dire qu'elles soutiennent l'initiative à travers les réseaux sociaux, hein, comme les garçons. Donc, je remercie ces jeunes qui font un grand travail, qui partagent tout ce qu'on met tout ce qu'on publie à travers nos réseaux sociaux. Donc, euh, et nous, à travers cette initiative, on donne aussi la place euh, aux filles à pouvoir s'exprimer leur talent. Même les affiches officielles du Grand Marathon du si vous regardez, c'est toujours une fille jusqu'ici qui est à la, à la tête de l'affiche. Et par, parlons de cette deuxième édition. Vous avez parlé de trois types de, de, courses. Et à quel niveau des préparatifs êtes-vous Donc, euh, au niveau de ces trois courses, j'ai euh, eu des beaux entretiens avec euh, le, ministère du Sport et la fédération qui m'accompagne dans le domaine technique de cette course. Donc les trois courses effectivement prendront. quoi exactement dans le domaine technique même technique parce que voilà, sur les trois courses, vous aurez des points de ravitaillement, vous aurez la sécurité à pouvoir mettre en place euh, les dispositifs. Donc vous avez beaucoup de détails sur euh, sur euh, sur l'inscription, sur tout ce qui va techniquement avec la course. Donc déjà dans le cadre de promouvoir les couleurs du pays, ces trois courses prendront les couleurs du pays. Donc chaque course elle aura sa couleur vert, blanc et orange. Et vous avez décidé, ou c'est une coïncidence euh, pour euh, donc euh, l'organisation de cet événement qui se tiendra, vous l'avez dit, le 16 décembre euh, 2016, donc à l'occasion euh, des, de la fête euh, et tout non c'est voilà c'est donc euh, je pense que c'est le moment propice de faire ce marathon c'était avant la fête nationale parce que au départ c'était autour du, du mois de décembre comme la première édition et là c'était l'occasion de pouvoir euh, commencer avec le grand marathon d'Itinéré. Il y aura d'autres activités aussi autour de, de, cet événement. Mais vous avez dit que euh, cet événement n'avait pas de connotation politique. Je, je, euh. le précise bien que le GMT n'a pas de connotation politique, n'a pas de connotation religieuse. C'est un événement sportif. Donc, euh, qui réunit toute la jeunesse, les, femmes, les enfants, euh, qui vient pour la paix, qui vient pour euh, courir euh, pour la paix, pour renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés du pays et de la bande sahélo-saharienne. Et donc, comment s'est fait donc le choix de cette date le choix a été fait parce que voilà, parce que c'était le moment pour moi, enfin avec mon comité, nous avons jugé utile de pouvoir le faire. Et donc, euh, euh, à, ce, niveau, vous avez combien hein, actuellement de, personnes qui se sont inscrites ou bien euh, vous avez <clears throat> pas encore des, personnes, des athlètes qui vous ont fait signe Vous avez aussi parlé de faire venir des athlètes de la sous-région. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er septembre, donc nous avons pu enregistrer pas mal d'inscriptions. Donc, elles se font à tous les niveaux, à notre niveau à travers les réseaux sociaux par mail les billets d'inscription plus le certificat médical dont nous exigeons à travers nos réseaux sociaux. C'est la, la course en elle-même, elle est gratuite, donc sans distinction de sexe, homme, femme, pourvu qu'on est adulte. Et euh, voilà, au niveau de la fédération aussi, c'est eux qui doivent s'en occuper euh, pour la sélection euh, des, personnes qui devraient venir à Agadez, au niveau de leur ligue et leur club. Donc, euh, nous avons déjà pas mal de personnes. Donc, euh, et au niveau aussi local, sur place, il y a des inscriptions qui se font. Donc, j'invite euh, tous les Nigériens à, venir euh, vers nous, euh, à prendre la tâche, à nous envoyer ces bulletins d'inscription qu'on trouve sur notre site web. Et puis, je lance un appel à toute cette jeunesse euh, du Niger de venir. Il n'y a pas que l'aspect course, il y a aussi l'aspect culture. Donc, c'est l'occasion pour le Nigérien de venir découvrir Agadez, de découvrir la gastronomie d'Agadez, de découvrir le minaret, parce qu'Agadez, quand même, c'est un, un axe caravanserai. Il y a moins de quelques années, elle était la porte... Euh, à, à, des, à des opérateurs. Euh, c'est une destination de rêve, c'est la région euh, mythique du, Niger euh, où peu de temps il faisait bon vivre. Et c'est une, une, région qui renferme et regorge d'énormes potentialités touristiques. Je pense que c'est l'occasion pour mes frères nigériens de venir nous découvrir. Voilà donc une petite pause euh, histoire euh, de souffler. Euh, Agdal Ouissan et pour la plupart de, ces athlètes qui participent donc au, grand marathon du Ténéré, c'est vrai que vous parlez ici de, de, courir pour la paix et est-ce que c'est prévu pour eux peut-être des, présents Y a-t-il quelque chose à gagner ah oui, y vous parlez des récompenses, des trophées. Oui, oui, oui. C'est comme la première édition, euh, malgré que euh, nous n'avons pas beaucoup de, moyens. Nous avons mis euh, des millions à la disposition de, ces 26 personnes. Donc, le premier homme a eu catégorie homme-femme. Ça veut dire que vous avez récompensé 26 personnes 26 personnes, oui, pour la première édition. Donc, en tout, il entre les catégories hommes-femmes, ils ont gagné 2 millions. Donc euh, voilà. S'il faut aller dans les détails, il n'y a pas de souci, je vais vous en non, parler. Non, non, non. et euh, il y, a, des voilà donc la première édition aussi a eu des y a eu de, médailles. Donc nous avons des médailles qui sont personnalisées avec le logo du Grand Marathon. Et la première année, on n'a pas pu les donner à tout le monde. Cette année, sur les 500 participants de la deuxième édition, parce que cette deuxième édition, les places sont limitées. Nous aurons 500 participants euh, pour la deuxième édition. Donc pour les 500 participants et tous les finishers de, de ces trois courses auront effectivement une médaille du Grand Marathon du Il suffit juste de vous inscrire, de marcher pour la paix ou de courir pour la paix. Vous aurez une médaille du Grand Marathon du Elle vous sera offerte. Et pour les personnes maintenant, euh, pour ceux qui sont des vainqueurs, ceux qui gagnent euh, les, les, les, courses, ils auront certainement des trophées que j'ai amenés qui sont personnalisés. Ils auront aussi des enveloppes et des cadeaux qui sont fournis par nos sponsors. Donc s'il y a encore d'autres sponsors qui peuvent nous donner des produits que nous pouvons mettre à nos athlètes, ça serait hyper bien. Est-ce que cela veut dire que vous êtes entré en contact avec euh, d'autres athlètes, les autres athlètes euh, peut-être promoteurs de ce, type d'événement euh, à l'extérieur du Niger oui, je, je, je, je, rencontre des athlètes de partout. Parfois, ils nous écrivent aussi. des promoteurs peut-être du même type euh, euh, de, cette, euh, de cette initiative Non. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Nous sommes peut-être à quelques minutes de la fin de cette édition. Voilà, j'ai juste des mots. Et voilà, j'invite tous mes frères nigériens à pouvoir venir courir, à venir renforcer la paix à travers cette initiative, soit dans un sens où vous pouvez être athlète sur le 5, 10 ou les semi-marathons, soit en tant que, soit faire partie du comité d'organisation. Parce que euh, voilà, cette initiative, elle n'appartient pas seulement à Agdel ni à son agence de voyage. C'est une initiative qui est ouverte, qui prend une dimension nationale et internationale. Donc j'invite tous mes frères Cousins, Jarma, Songhai, euh, Beriberi, tout le monde, de toutes les différentes couches sociales à venir à Agadez, à faire cet événement, le LER. Et euh, voilà, c'est les mots que j'ai. Et le, le troisième, c'est voilà, de nous soutenir, les entreprises nigériennes, et cet événement commence à prendre une dimension internationale. Il y a des reportages qui ont été faits autour de cet événement. Donc, euh, ça prouve que ça a été, la première édition a été un succès. Et effectivement, bientôt, euh, le 5 euh, novembre, nous aurons le vernissage du film Courir à Gadez ». Donc, j'invite tous ceux qui s'intéressent à cette histoire de Courir à Gadez ». Il y a un film qui a été fait par un réalisateur français, Thomas Fisch, sous le haut patronage du ministre de la Renaissance et celui du Sport au niveau du Centre culturel franco-nigérien de Niamey à partir de 20h. Euh, voilà donc euh, Agdan euh, Wissan était notre invité ce soir donc à ce forum du studio Kalangou. messieurs dames, c'était avec grand plaisir que nous recevions pour vous Agdan Wissan. Merci infiniment de, nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro du forum de studio Kalangou. Studio Kalangu à Niami sur la radio alternative 99.4 FM et sur la radio Ampani 100 FM à Minnesota sur la radio Mangari 95.1 FM à Birnin sur la radio Maraba 95.1 FM à Dolbel sur la radio Gorwol FM 95.1 FM à Saï sur la radio de la Tapoa 99 FM à Mayaï sur la radio Annouri 99 FM à Tamaski sur la radio Karkara 98 FM à Bouza sur la radio Takarkara 99 FM à Magaria sur la radio Kitari 101.5 FM Studio Kalangu au rythme du Niger. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez. Sur la radio Nomad FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tevoisi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengui Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Afani. 100 FM. Studio Kalangu, Studio Kalangu. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tébonzi 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouria 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Bonsoir. Nous vous proposons ce soir d'écouter quelques magazines de la rédaction du studio Kalangu. Ces dernières années, un phénomène est en train de se développer dans le milieu de la jeunesse. Il s'agit de la consommation du narguilé, communément appelée chicha. C'est une sorte de grande pipe à eau d'origine persane utilisée principalement dans le monde arabe et en Iran pour fumer le tabac ou certains produits au goût fruité. À Niamey, un peu partout dans les fadas, la chicha est en train de prendre la place du thé. Pourquoi les jeunes consomment-ils la chicha et quels sont les risques sanitaires que cela peut engendrer Repose dans ce magazine réalisé par Alassane Kouzi Mahamadou. Mohamed aspire à travers le tuyau de sa chicha et l'eau bouillonne au fond du réservoir. Allongé dans une chaise, tuyau d'inarguilé à la bouche, les yeux à moitié fermés, ce jeune homme aspire expire de la fumée chaque 5 secondes. Autour de lui se trouvent ses amis qui attendent impatiemment leur tour sur un banc. Mohamed nous lance une bouffée de fumée dans la figure avant de nous dire ce qui le motive à consommer la chicha. Moi, personnellement, je consomme la chicha juste par envie. Je ne fume pas la cigarette, mais la chicha. On sait que cela a des conséquences sanitaires, mais on continue quand même. Je ne peux pas faire quatre heures de temps sans la consommer. Aux côté de Mohamed se trouve assis son camarade Aboubaka. Pour cet étudiant âgé de 25 ans, consommer la chicha lui permet de se détendre c'est de la passion, c'est truc euh, de la jeunesse quoi. Souvent moi je prends de, la chicha, pardon, juste euh, pour me distraire. Quand j'ai des soucis, bah là je viens, quand je tire, tu sais, nous avons des dialectes, nous, qu'on qualifie, on appelle ça des tafs. Des tafs Une passion de Aboubakar ne peut pas se passer. Il est d'ailleurs sceptique quant aux conséquences sanitaires. On nous le dit toujours, mais je crois pas. Parce que tout simplement, nous n'avons jusqu'à présent pas vu quelqu'un tu es atteint d'une maladie causée par chicha ou bien voilà. Pourtant, pour le docteur Jibo Issoufou, un épidémiologiste qui s'intéresse aux questions de santé publique, les conséquences sanitaires de la chicha sont pareilles à celles de la cigarette. Au fur et à mesure que l'individu prenne ce genre de substance et à un certain niveau, donc ça va engendrer inévitablement des maladies et ici, les maladies qu'il fallait attendre, c'est le cancer de la langue par rapport à la fumée s'il y a des substances cancérigènes. Ensuite, les cancers, euh, je dit, pulmonaires également aussi. En dehors de ces maladies, il est à craindre aussi le risque d'attraper certaines maladies contagieuses euh, du fait de la consommation de la chicha par les jeunes en groupe. Docteur Jibo Issoufou argumente en ces termes. Il y a plusieurs maladies qui se transmettent malheureusement par la salive. C'est le même instrument à usage multiple et c'est à usage simultané. Je tire un coup, je te passe, l'autre, ainsi de suite. Donc, à travers euh, le même euh, tuyau, effectivement, toute la farde peut se contaminer. Parmi ces gens-là, il suffit que quelqu'un a la tuberculose pour qu'il contamine tout le monde. Il suffit que quelqu'un a l'hépatite B pour qu'il contamine tout le monde. Pour toutes ces raisons, Dr Jibo Issoufou exprime le souhait de voir les autorités sanitaires mener des études approfondies afin de déterminer le degré de nocivité exact de la chicha et prendre les mesures qui s'imposent. Alassane Kouzi Mamadou, Studio Kalangou. Studio Kalangou. Les programmes de Studio Kalangou. à Dosso sur la radio Fara 92 FM. Studio Kalangou. Les bijoux Touareg ont une grande histoire au Niger et même dans les pays voisins. Mohamed Atan est allé à la rencontre d'un bijoutier Touareg installé à Niamey. Dans son petit atelier de Dangao, Abdullah Haruna, âgé de 32 ans, avec son turban blanc autour du cou, fabrique des boucles d'oreilles à l'aide d'un enclime et d'un morteau. Cet artisan travaille depuis six ans. Il a appris son métier en famille. Pour nous, la bijouterie, c'est comme l'héritage. On apprend ça chez nos parents. Donc, euh, petit à petit, quand j'étais avec mon papa, j'ai commencé à apprendre ce qu'il faisait. Et à ce moment, euh, j'ai commencé aussi à me réadapter à ce qu'il fait jusqu'à ce que je suis devenu un bijoutier aussi. Abdullah fabrique des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des pendentifs, des bagues, des tableaux de 21 croix du Niger et même des couteaux. C'est un métier qui nécessite beaucoup de connaissances. Quand on dit bijoutier, on travaille avec euh, plusieurs métals. Le plus couramment, c'est avec l'argent massif. On achète ça souvent chez les commerçants qui sont dans le grand marché. Une fois acheté l'argent, euh, la première des choses, euh, aller faire la transformation à la mécanothèque. Bon, on les font euh, grâce à un petit creuset sous le charbon, le feu, tu vois. On attise le feu jusqu'à ce que le métal ait une densité de température. Et une fois qu'il se fonde, on prend, on les coule dans les lingotières. On les tire jusqu'à ce que ça soit un peu plat. Et après, tu reviens sur ton enclume et commencer à, à travailler le modèle que tu as fait. Ce savoir-faire est apprécié par les clients, parmi eux Ahmed. Tout ce qu'il amène, je l'achète parce que le prix est abordable. Son travail est rapide et bien fait. Je commande avec lui des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Aujourd'hui, la plupart des clients d'Abdoulaye sont des acheteurs locaux. Souvent, il y a des clients qui viennent, ils voient, ils regardent et puis si ça les intéresse, ils achètent. Avec euh, les acheteurs locaux, on arrive à vendre quelques bijoux et autres ici. Parce qu'eux aussi, ils partent exporter ça là-bas en Europe. Donc quand ils reviennent au pays, ils nous donnent des commandes. C'était avant qu'on gagnait des, touristes étrangers qui viennent ici pour acheter. Mais maintenant, il n'y a pas de touristes qui viennent ici pour acheter nos bijoux. Abdullah souhaite continuer son métier et avoir un appui ONG pour créer de nouveaux modèles. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu.